bonjour je gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku masu shuraren mu ta ga radio kan da studio Kalangu ke hulɗa da su. Sarauniya FM, Dalol FM, Amfani FM, ta hanyar gaskiya FM. Pour ne citer que cela, très ravi de vous retrouver. Le 21 février prochain, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Zaben shugaban kasar tamu le 27 décembre passé, ils étaient plus de 7 millions de Nigériens, majoritairement des jeunes, à se rendre aux urnes dans Shugaban Ils étaient 30 candidats dans la course pour la magistrature suprême le 27 décembre dernier. Azaga Mohamed Bazoum, candidat Kim Stareya, qui s'en est sorti avec 39,33% des voix, et Mahaman Ousmane, candidat du RDR Changi, qui s'en est sorti avec 16,99% selon les résultats provisoires proclamés par la CENI le 2 janvier. Sur quelle base compte-t-il élire notre futur président Kafa Et comme d'habitude, dans cette fada, nous aurons de la musique, la rubrique L'artiste exprime de Mr. Dondi et la chronique qui sera présentée par Olivier. Mais il y jiya aka buɗa ma 'yan takarar biyu hanya zuwa kamfani farfaganda ta fara a fadar mu yau muna tare da matasa da suke cikin parti politik da ƙungiyoyin matasa a nan place montai en face du commissariat central unguwar terminus À cette fada, nous avons comme invité Aïcha Touzen du TPLR. Elle a été candidate aux législatives. Aïcha, tout ça va Tu vas bien Oui, ça va bien. Et vous Yayane Ça va, les dames. Ok. Et le combat Alhamdulillah, ça continue. ok, sois la bienvenue sur tout ça. la Fada. Nous sommes avec Issa Galadima du RDR Changi. Il a été candidat au municipal. Issa, ça va Oui, ça va, bonjour. Tu vas bien Oui, Dieu merci. Yane, ya. Gogormaya, Anatei. Gogormaya, <laughs> Super, bon courage et bonne chance. Nous sommes avec Issa Omaru de l'association des jeunes. Ils sont dans la citoyenneté, les droits humains, éducation, Kébéro, ça va oui, ça va, bonjour. Tu vas bien, c'est comment Ça va très bien, Dieu merci. Sois le bienvenu sur tout ça, la fada. Merci. Mon jiran wasu bakin bah, namu bah, da muka gaito ba su iso ba tukuna amma za su zuwa nan ba da jimawa ba on attend Salah de Logité euh, incessamment s'il vient il, nous prend en cours à votre avis comment les jeunes doivent-ils appréhender ce deuxième tour Wana nauyi ne ya rataya a kansu bari gare ka isaka umaru merci mm merci à, euh, au studio kalangu Merci à ceux qui sont au niveau de la technique. Merci également <laughs> aux camarades qui sont à la FADA. Je pense que si on doit demander hmm. comment les jeunes doivent appréhender ce deuxième tour, il faudrait demander d'abord le bilan des dix ans de gouvernance en ce qui concerne les promesses faites aux jeunes. Donc je dirais que pendant dix ans, les jeunes ont espéré, beaucoup de promesses ont été faites, donc, il va falloir faire le bilan de ce que les jeunes ont eu pendant ces 10 ans. C'est Parce que je pense que, en tant que jeunes, nous sommes redevables vis-à-vis de notre nation. Parce que l'avenir de notre pays a ke ya ne cikin wannan dozem turki matasa ya kamata a ce sun tahi wacce irin tahi ce ya kamata na gode da gayyata mhm. to na ji abin da isa ya haɗi bisa kan mhm. zancen shuwa eh. to ni nawa a nawa tunani magana shi tana nan akan haka nan saboda yau dukan su biyu ma ni bin da ko guda cikinsu duk wanda za ka zaɓa ka tsaya ka diba ka ga program kin shi kamar yadda ya haɗi a diba baya duka suna da baya dukan su mhm. biyu babu wanda bai da baya kuma kowanne an sani wani an aihe mu mun tashi amma duk mun san komi da komi kenan matashi ya nema ya sani bayan duka biyun wannan da dai ga sunan da dai abu aka ce aski ya kai gaban goshi mhm, mhm. da ya aka zo nan kin ma kowa ya sani kamar yadda ya riga ya haɗi amma matashi ya tsaya ya diba su biyun wanne ne na kwarai wanne ne a dakin mi yayi mi suka yi mi suka yi bisa kansu ma personal man bisa kan parkour ma dukansu kuma menene suke da niyyai suke da niyya yi niyya program kinsu kuwa eh. mine ne program kinsu da zai suke da niyya su bamu a yanzu nan gaba shekara biyar mai zuwa mm. kenan duka matashi yana da ya kamata ya diba ya gani wanne ne kuma le plus réel il faut être réaliste akwai program ana zawa a bada wasu sun zo sun sha bada program amma mun ga inda abun ya da sa kenan a tsaya a gani a yi tunani wannan program kin shi shine na gaskiya vraiment c'est réaliste ou pas. Ouais, et à ouais. travers son parcours, est-ce qu'il peut honorer cela okay. C'est vrai, mu duka gani muke duka ɗaya ne duka tare suka taso. Kenan a tsaya dai a yi analyse tunda bai yiwa a ce dukansu kuma ils sont pourris. Ko yaya ne ma ba a rasa dai wanda dai za a tsaya a diba a yi tunani wanne ne ya kamata a ta yi a yi haka nan To, kamar da yake ana cewa dai da batta batta hana yanzu da ake cewa mm. yanzu yanzu dai abu mai sabon yanzu dai mun san menene kenan shikin nan ya kamata shikin ma a yi tunani akan na sabon sabon kwanan ga abinda bamu da manciya ba a kan shi kenan matashi dai ya kama kan shi ke dai in na gane abin da yana da yauni wannan sosai <laughs> wannan zaben da zamu yi dai mai yauni ne gaskiya gaskiya Nous avons rencontré des jeunes ici à Niamey à la question sur quelle base comptent-ils élire leur futur président et qu'est-ce qu'ils retiennent des programmes des deux candidats. Mouchirari, am soshin su cikin wannan rahoton mushi. To, abin da ya sa za ni zaben shi dan saboda dai zaɓe ɗan ƙasa ke zaɓe. kuma zaɓe abin ga unhwanin kowa ne kawai ni zaɓe dai ne zane to program kin suka yi ta wannan dai kai ban sani ba Allah ne masani doit aller voter puisque j'ai voter c'est un droit d'abord hmm. pour tout un citoyen moi je vais voter pour celui qui a au moins pitié de notre pays. Euh, oui, effectivement, euh, ça, c'est tout un président qui voulait aller euh, au pouvoir. Hein. Ils disent n'importe quoi. Une fois arrivé en tête de ce, euh, de ce pays-là, ils négligent tout, surtout la jeunesse. Ils ne m'ont pas convaincu j'aimerais être parmi les gens rendus où ce sont les bulletins blancs ou non. Je vais remplir mon devoir de citoyen, aller voter, mais il n'y a pas un de ces candidats qui m'a convaincu parce qu'on les a tous vus à l'œuvre. Moi, personne ne me convainc pas avec sur papier un programme sur papier. Ni ma eh, biskan bazin program in mutunan ne program in na karanta miye mi mine mutunan zai yi miye ne ni da na ga yayi convention abin da yayi convention da ke sa zan ta yi shi zabe to biskan baz in eh, biskan wani abin zan ta yi zaben ba cikin duhu ba saboda wani ihu yake kai wani ta ma wani zabe wani ta ma wani zabe wanga a'a dan kasa duka wani dan kasa cikakke in dai za ka yi zabe ka san abun da ya za ka yi zabe ba kawai ka yi zabe wanda bai san ba dalilin da ya sama za ka mashi zabe to irgun ware dai irko mirno president kanga ma labo sedori da ka mbo am fongu talke ga hakan da kan talke wa hmm. irsin da shwafo irko mirno sa wadin da programo ai sabe ka isa galadima ka ji wa'annan matasan dai da muka karɓi ra'ayin nasu bisa kan wannan zaben da za su yi ina jinka. alhamdulillah rabbil alamin mhm. godiya ta musamman ga studio kalangu na ji daɗin bayani da wannan matasa da suka yi kuma babban abin da na ƙara jin daɗi magana da isa ka yi shi mushe ne ni mushe ne mu muke shan wahala ƙasar nan tunda mu muke mu matasa a hannun mu suke mu muke ba su ilimi kuma mu muka san wayar da muke ji a jikinmu shi a komi tarihi na da kyau lalle kan matasan duka da suka yi magana yanzu na ji daɗin magana su kuma kowa a cikin su iya da gaskiya iya da gaskiya da wanda suka ce a duba program eh lalle kam iya da kyau a duba program in kowanne me a ƙasar mu a yanzu a yanda an kika ɗauki ilimin kimiyya yake tahiya matsayin mu bai kai ba a yanzu wannan matasan masu yawo wanda ilimin bai ishe su ba su tsaya su maka nazari na bisa kan takardar ɗan takara kenan ma'aikata wanda suke da sani da basu kan takarda kanta da abin da aka rubuta takarda su ya kamata a ce suna irin wannan nazari ka ce gashi nan program ne an yi shi kuma ba su san da shi ba wai yaya ne ka yi da wa'annan matasan ba san program kin ba ni ca nake da in aka tafi ko ko ko cikin ƙauyuka da da program ne ake tafiya ana yi a lang matasa ba ba san program ba eh. kin san su yan takara masu neman shugabanci kamar na shugaban kasa mm. sun kasu sun rabu akwai ɗin takarar da an zai je can ƙauyuka da birane iya anki da hankalin mutanen da zai iske mm-hmm. kahin ya je ma ya sa an mai abin da ake ce ma kaman wani in a sociologic kenan ya mm. san al'umman wannan da zai iske ta wannan guri mm. ga matsalar suna ga abin da suke so kenan sai shirya musu magana wanda ta gama su samu su rai ya je daɗanta musu rai ya tahi mm. kuma akwai ɗan takarar da a di da ya je magana shi guda ce to wannan shine ake ce ma dan takarar kirki wanda ke so ya mata adalci hmm. abin ya kasu ya rabu ne me sai zaman to a yanzu mu matasa me matsalar mu wallahi babban matsala a ƙasar nan ta matasa ta talauci ce in lokacin zaɓe zo sai a zo a baka kuɗi a sayi conscience ɗinka a sayi hankalinka na je ka zaɓa mini dukkanin matsala take kai kudi wannan da ya bakin sai sai showa eh? <laughs> on va aller eh, détendre un peu l'atmosphère avec euh, la rubrique euh, L'artiste exprime de Mr. Dondi et on se retrouve juste après. Talite kokul kansi barmei, genjima sosobu genjima tutubu. Talite kokul kansi barmei, aine genjima sosobu genjima tutubu. Hey. Nigérienne Nigériens, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Altesse s'exprime. Ladies and gentlemen, connectés un peu partout au Niger, merci pour votre mot de confiance. Merci d'être scotché sur l'émission hebdomadaire tout à Fada du studio Kalangu consacré à la jeunesse nigérienne. Vous êtes connectés depuis Agadez, depuis Difa, depuis Dosso, Tawa, Tilaberi, Maradi, Zender, NYAME, Sai, Baleyara, à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos 6 télévisions partenaires, nous mettons en valeur la culture nigérienne en cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un artiste nigérien islameur confirmé. Il vend les couleurs nationales, nationalement parlant et internationalement parlant. Artiste islameur ne plus à présenter. Suleiman Bontasi, Jirekana Suleiman, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup, le grand dandy, comme d'habitude. Comment tu vas, Suleiman Je vais énormément bien, comme tu le vois, la forme. <laughs> Alors, l'artiste Altesse Slammer, qui se cache derrière Altesse A-L-T-H-E-S-S s s étymologiquement et sentimentalement en parlant, Altesse A comme amour en français, elle mhm. comme love en anglais, T comme théorie sentimentale, H comme humour et comme étincelle, S comme sagesse et S comme slammer. Et à l'état civil qui est Altesse Slammer Abdullah Seydou Suleiman, c'est ça. Abdullah Seydou Suleiman. Suleiman, Il est né en quelle date ah un 8 janvier 1991 à Aguier dans la région de Maradi. 8 janvier 1991 dans la région de Maradi est venu au monde. L'un des le premier slammer campagnard du Niger. Le premier slammer campagnard de ce croix timide. Encore <laughs> Alors, la tête slammer, on te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Tu peux déjà nous dire quand est-ce que tu as commencé le slam au Niger euh, je dirais que j'ai commencé le slam vers les années 2014, comme ça. 2014 Vers les années 2014, mais ça c'était dans l'underground. Mais formellement, j'ai commencé à embrasser les scènes vers les années 2016. 2016 hum, Tu te rappelles de ma première apparition sur une chaîne télévision C'était avec toi, Dunia TV. Hey. C'était ma première fois où j'ai apparu sur une télé où tu m'avais invité dans ton émission 5 Je me rappelle très très bien, comme si c'était hier. Et quand je t'avais vu à la place AB, je me suis dit que l'artiste, il a du talent. Alors aujourd'hui, tu fais la fierté de la musique Made in Niger. On va parler du slam au Niger. Comment est-ce que les choses se présentent selon toi le slam, ça va On peut dire que ça va ou bien ça reste ou beaucoup reste à faire eh, Ça va, mais il reste beaucoup de choses à faire. C'est quoi le slam pour toi Le slam pour moi, c'est juste, euh, comment on appelle ça C'est la poésie orale sur scène, au fait, quoi. C'est se le parler bien, se le parler bien déclamé, au fait, quoi. Ça aujourd'hui, pour faire un texte de slam, il faut à la base avoir une voix. Parce que le slam vient à la base de ce mot grec euh, en anglais qui veut dire shalem. Et shalem veut dire claquer, », c'est-à-dire dire que taper. cest veut dire que pour être slammer, il faut nécessairement avoir une, voix qui cogne fort. Et en dehors de ça, il y a beaucoup qui confondent le slam aux rimes. Le slam, ce n'est pas que des rimes, c'est du sens. C'est une présence scénique aussi également. Vous êtes nombreux ici au Niger Nous sommes nombreux, c'est juste qu'il y a beaucoup de slamers qui sont dans l'underground et peu de slamers sont officiellement reconnus. La jeunesse kiffe ce que vous faites et eh, En tout cas, je, euh, je peux dire que si le slam me nourrit et que le slam me transporte hors de ses frontières. Le slam te nourrit donc Le slam me nourrit personnellement. Le slam euh, te transporte Ouais, le slam me transporte parce que je voyage énormément beaucoup. Mhm. Et grâce à ce même art-là, je fais l'Europe, euh, je fais beaucoup de pays en Afrique. Mhm. Et même dans l'année 2021, j'ai participé au Parlement du Rire par ce même slam. Donc, du coup, <laughs> je dis que. Justement, Mr. Altes, c'est avec ça que nous allons chuter. Tu étais au Parlement du Rire, tu étais avec le frère Maman de la République très très démocratique de Gondwana. Alors, explique-nous un tout petit peu comment est-ce que ça s'est passé dans le Parlement. En tout cas, c'est une expérience fabuleuse pour moi de participer dans une émission. Tu as parlé, tu as menti et ils ont... Ils ont apprécié, ils ont aimé, bien sûr, parce que les gens ont apprécié dans la globalité mon passage sur Canal+. Et c'était aussi une grande expérience pour moi de participer à une émission qui est euh, autour de laquelle il y a plus de 100 personnes. Une autour émission. de laquelle il y a plus de 100 personnes qui bossent et qui taffent dur. C'est vraiment du high level pour moi. Je me dis que c'est de l'expérience. Un message cette fois-ci, l'instant est solennel. Sur tous. Voilà. Fada. Altesse, mm. la machine te demande de laisser un message les jeunes slameurs scotchés sur cette émission. Et ce que je peux dire à tous ces jeunes slameurs qui rentrent dans ce mouvement, je vais commencer par la dire que c'est un art qui n'est pas du tout facile, c'est un art qui exige beaucoup de lecture, beaucoup de concentration, beaucoup de recherche parce qu'il faut de la consistance dans l'écriture avant de venir sur scène. est ce n'est pas qu'elle ne fait de mode, c'est du travail dans l'ombre en fait. Quoi. Je leur dis de redoubler de de travailler plus encore. L'objectif c'est qu'un jour, on arrive ensemble, main dans la main, en équipe, à créer un jour l'école code islam au Niger et à l'imposer, à imposer l'islam dans le programme scolaire un jour dans ce pays. La vie est un éternel combat. Il faut savoir contrer les coups, quelles que soient les provenances. Les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, c'est ceux qui ont su se relever après la chute. En temps, on se relève. On tombe, on se relève jusqu'à la destination. C'est la traversée du désert. Machine, Altesse, Talk. Ce deuxième tour de l'élection présidentielle, les jeunes face au choix de leur futur président gamana a place monté en face du commissariat central dans unguar terminus a ah wannan fadar dai na gaya muku na muna shirin en organisation des jeunes tarayya da muka gayyato ba su iso ba tukuna da wasu suma en agdp association des jeunes euh, politologues et diplomate suma basi su iso ba. Za mu ci gaba da wannan shirin tare da Aishatu Zain du TPLR. Elle a été candidate aux législatives. isaac Galadima du RDR Changi, il a été candidat au municipal. To justement yanzu bar mu mm. dawo bisa kan wannan harkan program kin. Nous avons le plan d'action du candidat Maman Ousmane avec des actions prévues cikin fannin tahiyar da ƙasa, shari'a, tattalin arziki da kyautata rayuwar eh, yau da kullum ko. Mm. Et dans un entretien accordé à l'AFP, Mohamed Bazoum met l'accent sur la démographie, l'éducation de la jeune fille et la sécurité dans son programme Renaissance 3. To, dawo wajen ka Isaka Umaru cikin wa'annan program kin nasu en tant que matashi ils ont pris assez en compte les préoccupations des eh, jeunes. Tout à l'heure, parmi les jeunes qui ont été interviewés, hmm. il y a des gens qui ont dit qu'ils ne seront pas convaincus par des programmes sur papier. Ouais, ouais. C'est des programmes sur papier. Aujourd'hui, l'enjeu, hmm. ce n'est pas une question de programme. Parlant de programme, Bazoum a parlé de la démographie. Nous sommes un pays pauvre et obligatoirement, il faudrait, il faudrait que notre démographie soit contrôlée, mais pas maîtrisée par l'Occident. Et Maman Ousmane a parlé de cet axe. Je parle sous le contrôle de son militant. Mhm, mhm. Maman Ousmane a été président de la République. C'était avec un programme. Mais a-t-il exécuté ce, programme Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas choisir ses candidats en fonction du programme. Moi, j'ai dit nous sommes en face. Parce que vous parlez de jeunesse. La jeunesse s'est vue, son choix même minimisé. Le problème de la jeunesse nigérienne sont le problème d'emploi le problème d'éducation. Je l'ai dit, je suis enseignant et je sais ce qui se passe dans nos écoles. Ça va, tu vas bien Salam Sois la bienvenue sur tout ça la fada. miki. Wannan zaben zagaye na da matasa tahiya en tout cas déjà eh, on appelle les gens à partir voter mhm. plus que ça n'a été pour la première fois en fait il faut qu'il y ait euh, une mobilisation encore plus forte pour pouvoir euh, faire un choix euh, objectif, je veux dire. Mhm, mhm. Voilà. Et, et aussi, comme le deuxième tour, c'est un peu le tour décisif, je vais dire. Donc, euh, c'est un peu le plus important. Donc, il faudrait que la population s'y intéresse encore plus que le premier tour. Ok, tout se joue là-bas, quoi. Ben, maintenant, on parlait des programmes, des programmes de deux candidats. En tant que jeune, tu te retrouves dans... D'abord, tu connais le programme Tu le connais les deux T'as lu un peu, t'as parcouru euh, Oui. Partiellement. D'accord. C'est vrai que ce n'était pas une lecture exhaustive, mais j'ai quand même une idée de, de chaque programme. Hmm. Bon, c'est des programmes qui sont assez satisfaisants, mais c'est pas ce qu'on recherche jusqu'à présent. Mais ça va. Si vous arrivez à exécuter ces programmes, hein. Oui. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Donc, Yanzou, ma chérie, je vais revenir vers toi. Aïcha, Echazen. Euh, c'est quoi le danger pour notre pays de ne pas faire d'analyse autour euh, de ce qu'ils ont programmé pour nous et d'aller juste comme ça. Ok. Bon, selon moi, déjà, il y a un critère qui est là. Si, par exemple, euh, puisque la majorité des jeunes, il faut le dire, ne connaissent pas des programmes. Tout à l'heure, on disait il faut qu'ils connaissent d'abord le programme avant de choisir le tout. Ouais. Et ça, ça revient aux au parti d'expliquer le programme et mhm. d'essayer de d'élargir l'information auprès des jeunes pour qu'ils comprennent le programme. Et c'est en fonction de ça ils feront la, la part de choses et ils sauront à qui ils vont voter. mais yanzu un programme ba su san shi ba kuma suka zo ranar zaɓe suna so su zaɓe kamar yanzu wanda muka saurara suna cewa sun gwammace su bulletin nul sun ce su yi kawai da su ɗoki wannan da ɗoki wannan ni a gani na kamar yadda na ce yau da gobe ko baka san program ba ka san fasikin wane dai ka taba shi haka yi haka yi me ya taba yi hmm. wannan ma yana iya zamanto abin da zai sa mutum a haka nan kin dai ya zaba yayi da a ce ba a zaɓar ba dan a kawo canjin yanayi tunda daga irin haka ne kamata da a ce an shi an sa bulletin nil kin nan lalle bulletin nil ma zaɓe ne <laughs> amma duk da wannan dai a ce an zaɓa dai a canza yanayin tunda akwai abin da kai yake damun ka da ka gani da har yanzu ba a yi shi ba kuma a zamanin nan wane ne yake ya kamata ya yi shi bai yi shi ba bai mai da shi ba priority akan haka nan kenan saboda irin haka nan ma in ka tuna tana iya ka zaɓi wancan kin ka gani shi yaya ne yaya ne zai zai zamanto abin kamar yadda suka ce sauran daga act ne abin daga act ne wata takardar ma akwai ta amma dai act kin ne sai sa ifo eh, da bon program da man akwai shi ma qu'il soit vraiment réel vraiment adapté a bisa kan abin da muke ciki ba program wanda za a mm-hmm. zo a samu wanda za a sa shi a ringa samu wani tunani da ba yanzu bane ma sai jikokin mu za su iya kai wannan nivokin gaskiya kowa ya santa ne mm. shirin ya zo karshe kuma ga su bakin namu suna isawa <laughs> wasi ya kake da dama saba alhamdulillah to sannan ka za mu kan shirin tus alafada mosi da la mosi hira da muke nan gai hira wannan zaben da za a tahiya kai a ganin ka ya ne matasa ya kamata a ce sun kama hanyar wannan zaben to rabi ai abu mai sauki ne mm. tunda aka ce yau kowane dan takara mm. yana da Eh, program in shi mm, wala wani mm. ta kamata a ce ya ma 'yan kasa presenti ya gwada ma 'yan kasa ya gwada ma eh, in shi kenan nan suna iya samun ide pourquoi les voter kenan c'est sur la base de cela que les électeurs doivent in kaga abin ta gyara kasan mu to ka zaba in ka yarda da abin to mu in kai mm. matashi ne ka diba cikin program me aka aje matasa in kai dan kasuwa ne ka riba gani mine ne avantage in ka wanda kan da ya kama ka kenan duk ko mine ne dai ka riba le programme est composé de tout ce qui est comme euh, secteur d'activité donc in kai in kai dan dalibin dan école dan makaranta ka diba gani kai ma akwai ka ciki mi nawa aka aje ma budget nawa aka ba education ciki kenan c'est sur la base de cela mais ba saboda kan a ce wanga dan uwanka bane mhm, mhm. wanga dan jaka ne wanga eh bazar mene wanga bahaushe ne wanga buzu ne a barin bishi ya wancan no mm. wanda ba ta kai mu ko'ina ah. wanda muke so mu wani zai kawo mu ci gaba cikin ƙasa wani zai kawo mu eh, a ce yau ƙasar mu tun da muka tashi muna ji ana cewa ita ce ta ƙarshe cikin ƙasashe a ce umar ita ma ta shigo cikin layin manyan ƙasashe ta shigo layin ƙasashe wanda suka san wanda suke iya tattalin arzikin su ma da kansu mm-hmm. kenan mu shine abun ga gudunmuwan mu shine ta kamata a ce mun bi sun sa a gaba ba to da kurmu suna gode yanzu cikin kwaki ai ga ta karamu ke sa na ce a sa mu abdulsalam wali in zaɓe za mu yi zaɓen adali mu shurari wali na waka abdulsalam ya so wasu ritrushin Adam Usman wani baban mahiya Usman Adam Usman wani babban adali jama'a ga zance zani sai ka faɗi miliya shatan zamani jama'a ga zance zani sai ka faɗi miliya inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ya ce waka ya kirkira amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kirkira ina yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani yaro ɗan ƙanƙane makaranta. Amani malam ya faɗa mani, abun da Allah ya faɗa, shi ne annabi ya faɗa, abun da annabi ya faɗa, shi ne malam ya faɗa. A san magadan annabawa. ya faɗa, wazi a garan aiki da shi. Dole mai aiki da shi shatan zamani, ka san magadan annabawa. Adele malam ya faɗa mani makaranta. Gaskiya ne. mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke lokacin wali iya da rai sale Allahu akbar lokacin mutuwa ba ta taushi ba Allah ya kika musulmi dukkanin mana faɗi gaidan na faɗi mai duburi na faɗi Retour à la FADA, nous sommes bien calés à la place Monteil en face du commissariat central. À la FADA aujourd'hui, on parle du deuxième tour. Comment les jeunes sont censés choisir leur futur président, la responsabilité qui pèse sur nos épaules en tant que jeunes quant à ce choix ultime, hira da muke nan gai tare da wa'annan wanda muka gayyata a yau bisa kan wannan da za a ta zagaye na biyu wannan yauni ne a kan mu matasa bisa kan wannan harkan zaben wannan shugaban kasan da za mu to a wannan fadar muna tare da aisha zen muna tare da de la station kebero aussi, de la jdp la station des jeunes diplomates et politologues nous sommes avec Issa galadima du RDR Changi. Nous attendons toujours jusqu'à la dernière minute. Logité la station des jeunes Tareya, ils sont pas encore là. Amma ba ya hana mu ci gaba da wannan shirin namu. To yanzu tambaya ta karshe. Aisha da kina zancen wannan wali, wali wannan waka da aka sa. Eh, eh. ina zancen busa kan zancen adali da ya eh. kamata a zaba. Kuma zan da busa kan tambaya. Aure adali. Adali kuma mhm. busa kan pour conclure Eh, shan hankali da zama matasa in baka mm. san kiritar ba komi kuma akwai inda zaka gane kiritar na karshe ala zamanin kamfani wanda zai zo ya baka kuɗi ka sa akan ka ba adali ba ne. daga duk mm. wanda zai biya ka ka je ka zaɓe shi yaya ya ce zan zo maka aiki kuma ya biya ka a ina aka taba yin haka gina ya biya ka ka zaɓe shi to ka sa akan ka su ne irin su in suka hau sun manta da talaka ha abada kuma mun gani aisha zan ta magana isa ka galadima wata shawara gare ka da za ka ba matasa da suke shuraren cikin wannan shirin kisa aka ce a dashen yawo da ta dakon wari ce ta kai an ce rikici gare ku ni ba ne na wasa. <laughs> shawara ta ta na hudi da su babban kira da za a ma matasa su bar hankalin su yi aiki su yi zaɓe kamar yadda 'yan uwana suka hudi su yi zaɓe na nutsuwa duk wanda ya baka kuɗi na ji wani malami na wa'azi Allah ji rai ya ce duk wanda ya baka kuɗi ɗan siyasa a fagen siyasa ka amsa ka ci ka ci halak amma in ka shiga gurin zaɓe kal wannan kuɗin su sa shi ne sa ka zaɓe shi mhm, mhm. kenan sai ka mance da ya ba kuri ka yi aiki da hankalinka kaga wane nake jin in na zaɓe shi zai ma ƙasata zai ɗan kyautata adalci shine duk ɗan ƙasa ya kamata ya sa a gaba. To, kama ma shiri. Salamatu da Allah ga mu wannan shawarar da zaki ba matasa ta ƙarshe, magana ki ta ƙarshe. Ok, moi pour le mot de la fin, euh, comme ils l'ont déjà tous dit, hmm. c'est vraiment de faire un choix objectif. Je veux dire que le deuxième tour, c'est comme une deuxième chance en fait pour ceux qui n'ont pas pris la peine de, voir les programmes des parties de, s'y intéresser et de faire un choix sur cette base. D'accord. Merci bien, ma puce. Sur cette euh, jolie voix, sur ta jolie voix et ta jolie conclusion, on va se dire au revoir sur la Fada, Mais avant cela, on va donner la place à Monsieur Olivier qui nous vient avec sa chronique et on se dit au revoir. Amis de la FADA, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de ceci. La consommation des produits locaux, un enjeu politique. Les produits locaux sont à l'honneur dans plusieurs pays du monde. Les grandes nations comme la France ou les États-Unis ont mis la consommation des produits fabriqués chez eux dans leurs priorités politiques. En France, par exemple, c'est le plan Choose France qui est piloté par l'Élysée afin d'attirer les sociétés pour qu'elles viennent investir en France, faire en sorte qu'elles choisissent la France. Mais avant tout, l'initiative vise à promouvoir la production et la consommation locale. Visite d'entreprise, visite B2B, intégrer les urgences climatiques dans leurs priorités économiques. Aux États unis le nouveau président Joe Biden appelle de ses voeux à une consommation locale. Je souhaite que l'État fédéral n'achète que des produits fabriqués aux États-Unis. Peut-on lire cette semaine dans une brève de la télévision France 24 Une manière d'appeler les citoyens à consommer les produits fabriqués chez eux. Eh bien, qu'on soit un grand pays ou pas, la promotion de la consommation locale est au cœur des politiques de plusieurs États. Et ici au Niger, que faisons-nous ou du moins ce qu'a fait l'État pour la promotion de la consommation locale. L'initiative troisième Les Nigériens nourrissent les Nigériens a été mise en place pour stimuler la promotion et la consommation des produits locaux. Au niveau privé, le concept Made in Niger relance depuis quelques années la consommation des produits fabriqués au Niger. Et pourtant, très peu sont ceux et celles qui consomment les produits nigériens. Pour des raisons particulières, chacun choisit son produit en fonction de ses préférences ou de son goût. Mais y a-t-il de mieux que les produits fabriqués chez soi La réponse, elle est en nous, dans nos assiettes, sur nos tables à manger, dans nos salons, dans nos habits et des fois même à nos pieds. Merci bien Olivier. C'est la fin de tout ça, la Fada français Hausa. Nous étions avec les jeunes des associations des jeunes. Nous étions avec les jeunes membres des partis politiques. Aujourd'hui à la Fada, il est question du rôle ou je dirais de l'importance du choix des jeunes pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Isaka, hein? oui il va clôturer. Je vais lancer un appel pressant à l'ensemble de la jeunesse nigérienne. Vous savez, on dit que la jeunesse, c'est le soldat de la nation. Nous avons des porteurs de tenue qui sont en train de risquer leur vie sur nos frontières mhm, mhm. pour euh, préserver l'intégrité de notre territoire. Donc il appartient à nous qui ne portons pas de tenue de nous battre pour préserver également l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit de toute la jeunesse de voter en fonction de leur conscience c'était Isa Umaru eh, eh kun ji abin da yace ko shi dai wannan zaben dai ya kamata a ce matasa sun yi lissafi da kyau bisa kan shi tunda yawan da ya rataya akan wuyan mu ci gaban kasar mu c'est l'avenir de notre pays et la préservation de la souveraineté zamu yi wani kwana da ku sai mun ƙara haɗuwa bisa kan shirin tusa fara gobe abokin aiki na don ni za a yi zance da artist su kuma bisa kan gudunmuwa da su ma za su kawo dai wannan zaben dai a ta yi a yi shi daidai daidai